le forum du studio le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Enfani FM 100 MHz, Kwaratagi FM 90.9 MHz, et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook est Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Nos émissions sont également sur WhatsApp. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du Studio Kalangou s'intéresse à la commercialisation des produits phytosanitaires, manipulation et les risques encourus. Pour euh, développer ce sujet, nous avons dans ce studio Abdoubawa Ibrahim, directeur des interventions phytosanitaires et de la formation à la direction de la protection des végétaux. Abdoubawa Ibrahim, bonsoir. Et Issoufou Tchoucha Dimega, distributeur agréé responsable de l'entreprise Fleuron, une entreprise spécialisée de la commercialisation des produits phytosanitaires. Issoufou Dimega, bonsoir. Bonsoir. Selon la FAO, un produit agro ou phytopharmaceutique communément appelé pesticide ou tout simplement phyto est toute substance ou association de substances ou micro-organismes, y compris les virus destinés à repousser, détruire ou combattre les ravageurs des cultures, les vecteurs de maladies humaines ou animales, les espèces indésirables de plantes ou des animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits lignés ou aliments pour des animaux ou qui peut être administré aux animaux pour combattre des insectes et autres parasites. Abdoubawa Ibrahim de la direction de la protection des végétaux, quels sont les différents types de produits phytosanitaires disponibles sur nos marchés au Niger? Euh, nous remercions le studio Kalangu pour nous avoir donné cette opportunité, n'est-ce pas, de communiquer et d'échanger avec euh, les acteurs du monde rural, notamment ceux-là, n'est-ce pas, qui manipulent euh, les pesticides ou les produits phytosanitaires. Alors, pour revenir à, votre question, celle de savoir les, différents types de produits phyto, on peut s'exprimer sous plusieurs formes. Il y a d'abord les différentes familles de pesticides qu'on utilise, mais aussi il y a les différentes catégories de pesticides. Ça veut dire que les pesticides qui visent les différents ravageurs. Si on parle des différentes familles, nous avons d'abord la famille des organophosphorés, la famille des organocolorés, la famille des carbamates et la famille des pyréthrinoïdes, qui sont essentiellement les quatre familles, tout en sachant qu'il y a encore d'autres familles, euh, en tout cas auxiliaires. Mais les principales familles qui sont utilisées, sont ceux-là. Mais parmi les quatre principales familles, aujourd'hui, la famille des organochlorés est une famille de pesticides qui est prohibée d'utilisation. prohibée, qu'on n'utilise plus, en tout cas. Parce que ça a des conséquences. Parce que c'est des, produits très persistants qui peuvent persister dans la nature ou l'organisme ou de l'organisme humain pendant plusieurs années, voire 50 ans, sans pour autant qu'ils se dégradent ou bien qu'ils soient dégradés par l'organisme humain ou par la nature. Alors ça, c'est par rapport aux familles. Mais si aussi il faut catégoriser ces produits face aux ravageurs, vous avez ce qu'on appelle des insecticides qui sont utilisés pour tuer les insectes. Vous avez des acaricides qui sont utilisés pour tuer les acariens. Vous avez les acariens, c'est quoi les acariens Les, acariens, c'est des animaux qui ont quatre paires de mmh, pattes, mmh, mmh. alors que les insectes ont trois paires de pattes. Voilà la simple différence qu'il faut faire entre un acarien et un, et un insecte. Les insectes ont trois paires de pattes. Quand vous voyez une bestiole qui a quatre paires de pattes, c'est que c'est un acarien. Par exemple, vous prenez le cas des, araignées. Hmm. Les mille pattes Là, ce n'est pas un acarien. Hmm. Les mille pattes, c'est une autre famille d'insectes qu'on appelle les palmipèdes. Hmm. Ils ont plusieurs paires de pattes. On les appelle des palmipèdes. Mais si vous prenez par exemple euh, les poux, par exemple, c'est des, des, acariens, les araignées, les scorpions, tout ça, ça fait partie de la famille des acaricides. Vous voyez Donc, nombre de pesticides peuvent être classés quand ils visent un certain nombre, n'est-ce pas, de, ravageurs. Donc vous avez des fongicides, ce sont des pesticides qui sont utilisés pour lutter contre les champignons. Vous avez des, bactéricides, n'est-ce pas Vous avez des, viricides, vous avez des acaricides... etc., etc. En fonction de chaque euh, insecte... on peut catégoriser en tout cas ces, ces différents pesticides. Mais l'important ici, c'est de savoir qu'il y a un nombre de familles qui sont là et que les principales familles utilisées sont surtout trois familles d'insecticides les organophosphorés, les carbamates et les pyrétonoïdes. Les organochlorés, comme je l'ai dit, sont interdits d'utilisation, en tout cas dans nos pays. La loi l'interdit. À la respecte même, c'est dans tous les pays du d'ici. Abdoubaou Ibrahim, quels sont les critères ou encore les conditions d'autorisation pour la commercialisation des produits phytosanitaires Bon, les conditions d'autorisation, j'ai d'ailleurs un distributeur agréé devant moi, il va confirmer un peu ce qu'il veut dire, parce que lui, avant d'avoir son autorisation, certainement, il a fait un dossier qui devrait être constitué d'un certain nombre, n'est-ce pas, de pièces. D'abord, il faut une demande manuscrite adressée au ministre en charge de l'agriculture. Il faut être en règle, n'est-ce pas, face euh, à l'administration fiscale nigérienne. Donc avoir son registre, n'est-ce pas, et son autorisation. Il faut avoir un magasin de stockage normé. Donc, normé, ça veut dire qu'il devrait être visité par un spécialiste pour vous donner l'agrément que votre magasin est apte à contenir des produits phytosanitaires. Donc, euh, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faudra respecter. Ces magasins-là, il faut payer une taxe. Dans le temps, c'est 30 000. Je pense que maintenant, c'est arrivé à 50 000. Et chaque année, il faut, il faut renouveler et ensuite euh, avoir l'expertise d'une personne ressource à l'intérieur de ce dossier-là, il faut qu'il y ait un CV ou un certificat d'une personne ressource, d'un spécialiste qui connaît un peu le domaine des pesticides pour qu'à chaque moment que le distributeur agréé soit guidé et ou bien à défaut lui-même qu'il soit formé et qu'il ait une attestation, n'est-ce pas, qui atteste qu'il est réellement formé et qu'il est apte, n'est-ce pas, autorisé à manipuler, à vendre, à acheter, à former, à former les personnes tierces dans le cadre de l'utilisation de ces produits phytosanitaires. De ça qu'il s'agit comme élément constitutif du dossier. Souf vous avez quelque chose à ajouter, notamment par rapport aux critères ou encore les conditions pour euh, la commercialisation des produits phytosanitaires Comme l'a dit M. Abdoubawa, donc c'est l'essentiel qu'il a dit. Hein. Pour avoir l'agrément, il faut constituer l'essentiel des espèces. Il faut être euh, du domaine ou bien être guidé par une personne ressource qui est du domaine de, des phytosanitaires. Donc avant là, la taxe qu'on payait, c'était tous les 3 ou 4 ans, mais maintenant c'est revenu comme l'État veut beaucoup d'agents, chaque année, il faut la, la renouveler. as dit, Mega, de quels produits phytosanitaires disposent vos agences en ce moment en ce moment, nous, nous avons... Je parle de l'entreprise euh, Florent. Oui, j'ai un, produit, un insecticide qui s'appelle Pacha, qui est composé de deux matières actives et qui est utilisé surtout pour la, le traitement de toutes les cultures, et surtout les insectes sauf les acariens. Et nous avons aussi un produit qui s'appelle euh, Acarius. Ce produit est destiné au traitement uniquement des acariens. On peut aussi l'utiliser sur les insectes, mais ça vise plus les acariens que les insectes. Comme l'autre l'a dit, les acariens, c'est. Bon, nous, pour être euh, très précis et très bref, c'est les araignées, rouges ou noires, qui sont sur la tomate, la pomme de terre, les aubergines. Les feuilles de moringa. Les feuilles de moringa et la tomate. Et Soufou Koucha, d'où proviennent euh, ces produits que vous commercialisez, que vous vendez sur le marché La plupart de nos produits proviennent de l'Europe, précisément en France. Ah C'est là où se trouvent les fabricants et les fournisseurs de, produits et qui ont, une filière ici au Niger. Donc nous nous approvisionnons à partir de cette filière. Et la plupart de nos produits sont des produits, produits homologués. Et qui sont vos clients ici au Niger euh, nos clients, c'est les producteurs. Les producteurs maraîchers, les producteurs au niveau des céréales. Euh, et parfois, les, particuliers nous appellent pour des interventions au niveau de leurs euh, locaux. Comment est-ce que vous arrivez à faire face à la concurrence dans le secteur où les informels sont surtout nombreux ah, Ça, c'est très compliqué. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui, qui nous donne du fil à retordre c'est pas facile. Parce que nous, nous assistons les produits qui ont subi vraiment toutes les, les comment tous les protocoles avant d'atterrir ici à Niamey. Donc, c'est des produits qui sont censés être chers. Donc, le producteur, il veut un produit qui est très moins cher. Donc, euh, il préfère les produits qui viennent du, Nigeria. du Nigeria, du Burkina, du un peu, en tout cas, qui n'ont pas suivi la même. Qui ne euh, sont, pas homologués. non, qui ne sont pas, même s'ils sont homologués, ils n'ont pas suivi la même voie que, que les produits que nous achetons. Donc, euh, qui leur reviennent moins cher. Donc, euh, c'est ça le point. Vraiment, on n'arrive pas. Il y, a une, il y a une concurrence vraiment très difficile entre nous et les autres. Parce que nous, nous, nous avons opté pour la distribution des produits vraiment qui sont homologués, des produits destinés à au traitement des cultures maraîchères parce qu'il y a des produits qui sont pour les cultures, il y a des maraîchères et il y a des produits qui sont pour le coton et autres. Voilà, donc nous, nous distribuons les produits vraiment appropriés. Vous parlez tout de suite de la cherté, ça veut dire que les, vos produits ne sont pas accessibles à la bourse du citoyen moins Si, accessible parce que nous, produits, nous avons des produits qui coûtent 1500, 1200, donc c'est accessible et qui peuvent être traités et 400 à 500 mètres carrés de couture. Donc vraiment, moi, je pense que c'est accessible. Est-ce que vous avez euh, des agents qui peuvent intervenir euh, n'importe où Oui, il y a des agents qui sont là, qui interviennent, soit pour le traitement des, des jardins, soit pour le traitement des, des rizières ou bien le traitement des locaux. Abdou Ibrahim, est-ce qu'il existe des normes recommandées par l'OMS ou encore la FAO Les normes, il y a effectivement des normes qui existent, que ce soit des normes édictées par l'OMS, par la FAO ou par le SILS. Mais pour ce qui concerne spécialement la vente des produits phytosanitaires, le Niger étant un pays membre des 13 pays du SILS, il y a ce qu'on appelle le comité sahélien de pesticides, qui est le comité qui est en charge, n'est-ce pas, du contrôle et de la vérification des spécifications techniques de tous les produits phytosanitaires qui sont utilisés dans l'espace, n'est-ce pas, du SILS. Et ces produits-là, ils sont listés, on a la liste. Et tous les six mois, n'est-ce pas, cette liste-là, elle est actualisée. S'il y a un produit qui s'avère être, en tout cas, dépassé ou que les contrôles beaucoup plus approfondis ont démontré que ce, produit-là, est, très dangereux, très néfaste, on le supprime de la liste et on communique pour informer, n'est-ce pas, tous les différents pays comme quoi ce produit-là est prohibé d'utilisation. Donc, par rapport à la vente des produits phytosanitaires, c'est, n'est-ce pas, les normes édictées par le comité sahélien des pesticides qui sort sa liste tous les six mois et qui est actualisée. Maintenant, sur le plan impact sur la santé on, va, aborder la deuxième partie. Abdou Ibrahim, les produits phytosanitaires essentiels sont-ils disponibles au Niger en, ce moment eh, Les produits phytosanitaires essentiels sont disponibles sur l'ensemble du territoire national. Même à l'intérieur du pays, vous avez ces distributeurs agréés là, n'est-ce pas, de Tilaberi jusqu'à Difa. Et ils sont répertoriés, nous avons la liste, ce qui fait que si il s'avère qu'un producteur ou un groupe de producteurs veut payer des produits. Nous les guidons pour qu'ils aillent chercher des produits les plus efficaces, les plus assurants sur le plan protection de la santé humaine et de l'environnement. Et c'est autre que ces distributeurs agréés-là qui sont éparpillés un peu partout dans le territoire national, je vous dis jusqu'à Difa. Il y a des régions où on a une dizaine, il y a des régions où il y a trois, quatre, et c'est, il faut le dire, c'est Niamey qui recueille le plus, n'est-ce pas, grand nombre de distributeurs agréés, n'est-ce pas, euh, dans le conduit du pays. En cas de menace, est-ce que la direction de la protection des végétaux euh, peut faire face à des menaces en cas d'invasion acridienne, par exemple La mission principale de la direction de la protection des végétaux, comme son nom l'indique, c'est de protéger les cultures et les denrées stockées. Et jusqu'à preuve du contraire, toute attaque, toute invasion d'ennemis de cultures sur les cultures pluviales n'est-ce pas, l'intervention de l'État, elle est prompte et elle est gratuite. Les produits qui sont au niveau de la direction de la protection des végétaux sont des produits qui appartiennent aux agriculteurs. Sur l'échiquier national, au niveau des régions, au niveau des départements, la direction de la protection des végétaux a des représentants, elle a des répondants, des agents qui sont des spécialistes de la PV et qui sont là pour ça. Pour qu'à tout moment, à chaque moment qu'il y a, n'est-ce pas, des attaques, ils vérifient et s'il y a nécessité d'intervenir, ils interviennent avec l'aide et l'appui des brigadiers phytosanitaires qui sont formés. Ce sont des, agriculteurs, des auxiliaires qui sont formés pour aider les techniciens à faire son travail sur le terrain afin de pouvoir intervenir en tout cas euh, au niveau des champs qui sont infestés par les ennemis des culture. Donc les produits sont disponibles, l'intervention est gratuite, mais il faut qu'on s'assure qu'il est effectivement nécessaire d'intervenir pour qu'on intervienne. Issoufou Kucha méga, est-ce que vous avez une représentation à l'intérieur du pays oh, Pour l'instant, on n'a pas de représentation à l'intérieur du pays. Nous sommes basés tout juste à Niamey, pour l'instant. Mais on a des perspectives d'être représentés à l'intérieur du pays. Vous savez, représenter à l'intérieur du pays, c'est déchargé. Est-ce que les gens viennent acheter vos produits Oui, les gens viennent acheter nos produits parce que nos produits sont des produits homologués, c'est des produits efficaces et c'est des produits qui sont suivis de conseils. Quand vous venez au niveau de notre boutique, vous nous dites votre problème, nous on vous propose le, produit idéal et avec les conseils. Et après, avec encore des suivis après la vente. On vous demande qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne. Si vous avez mal appliqué, on vous dit voilà, voilà comment l'appliquer. Euh, il vous arrive euh, d'être sur le terrain du fois Plusieurs fois. De dix fois il euh, Vous n'avez jamais eu des problèmes de, manipulation de ces produits-là Moi-même ou bien nos agents. Vous-même et vos agents Les agents sont formés par nous, donc vraiment, on ne pense pas s'ils peuvent avoir des. Mais certains producteurs peuvent avoir des, des, des accidents au niveau de la manipulation s'ils n'ont pas suivi les conseils donnés. Je me rappelle l'année année, j'étais avec la FAO à Dolbel, non, à, après, devant Dolbel, là, c'est Wanzerbe. On était en train de former des producteurs euh, maraîchers sur, c'est bon, c'est des producteurs sur le Niébé. Et euh, on était en débat et un intervenant nous disait que leur leurs femmes, pour éliminer les poux de les, de les cheveux, elles mettent du photoxin. Vous connaissez le photoxin Non, non, non, non. Elles mettent du photoxin et elles mettent le foulard. C'est très, très grave. C'est des choses comme ça qui arrivent qui arrive dans la manipulation parce que manipuler les produits, vraiment, il n'y a rien de plus que se protéger. Il n'y a rien parce que je vois certains, ils prennent du lait, du ceci. Nous, ceux qui nous ont enseigné les produits, nous disent que vraiment, il n'y a rien que la meilleure solution, c'est de se protéger pour éviter ces accidents. Euh, Abdoubaoui Ibrahim, est-ce qu'il arrive euh, des fois où vos distributeurs agréés font euh, recours à vous ou bien vous sollicitent dans le cadre d'appui conseil oui, ici, il est important de, de rappeler, d'ailleurs, comme je l'ai dit dans, dans, le cadre de la constitution des dossiers, il fallait être une personne avertie. Et vous voyez, lui-même, il vous a dit que quand les paysans viennent payer un produit chez eux, il leur donne des indications, il les forme, il les guide et il les suit. D'où l'importance, en tout cas, d'être vraiment quelqu'un qui est formé dans le domaine avant d'avoir l'agrément. Maintenant, ces distributeurs agréés-là, il faut rappeler d'abord qui sont organisés. Ils ont une fédération et ils sont suivis par la DGPV. Et il y a des moments où nous, on fait des programmes de formation même à leur endroit, puisqu'ils sont déjà organisés. C'est déjà un, un, avantage pour eux d'être euh, vraiment bien encadrés. Donc, il y a un certain nombre de thématiques parfois, comme programme qu'on élabore, et qu'on les invite à des formations, n'est-ce pas, en fonction des moyens qui sont à notre disposition, pour en tout cas développer ces différentes thématiques qui sont relatifs à la gestion, n'est-ce pas, à la protection de la santé humaine, de l'environnement, à la connaissance des matières actives et les dangers que ces matières actives là, peuvent encourir en cas d'une mauvaise utilisation. Donc, ils sont vraiment encadrés par la DGPV. Je vous ai dit qu'on a, en tout cas, la liste de tous ces distributeurs-là sur l'ensemble de l'échiquier du territoire national, mhm. et ils, sont suivis. Et chaque année, on fait une revue, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont en règle. Parce que nous avons dit que chaque année, il faut en tout cas payer sa cotisation, renouveler l'agrément. Et si on voit que la personne n'a pas payé, donc on attire son attention pour qu'elle le fasse avec un certain délai qu'on lui donne. Une fois que c'est fait, tant mieux. Dans le cas contraire, en tout cas, on la supprime de la liste et puis on écrit pour en tout cas dire que la DGPV se désengage même si quelque chose arrive à un producteur à qui, n'est-ce pas, un conseil a été donné ou bien qui est parti payer un produit euh, au niveau de tel ou tel euh, distributeur qui n'est plus dans la liste. En ce moment, sa responsabilité est engagée. Ils sont dans l'air, sur nos légumes, dans nos placards. Les pesticides ne se voient pas à l'œil nu, mais font partie de notre quotidien avec leur lot de méfaits sur l'environnement et notre santé. En manipulant, en pulvérisant ou respirant des produits phytosanitaires, les professionnels se retrouvent particulièrement exposés. Abdoubawa Ibrahima de la direction de la protection des végétaux. Quels sont les risques dans la manipulation de ces produits phytosanitaires? Les risques qui peuvent être encourus quand on manipule les, produits sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord les risques sur la santé humaine, parce que ces produits phytosanitaires que je vous ai cités, c'est des produits qui sont très dangereux, ils ont un impact sur la santé humaine. Ils sont d'abord cancérigènes, ils provoquent des cancers chez les hommes et même les animaux, parce que les animaux aussi sont à sang chaud. Ils sont tératogènes. Quand vous dépassez la dose létale, ils peuvent provoquer des malformations congénitales chez la femme. Ils peuvent agir sur les organes de reproduction de l'homme. L'homme peut voir en tout cas son ardeur sexuelle diminuer ou même une infertilité en fonction du niveau d'intoxication. Ils sont allergisants. Une fois que vous les touchez sans précaution, ils peuvent vous provoquer nombre d'allergies. Vos yeux peuvent gratter, la peau, etc. Des, des éruptions cutanées peuvent apparaître, des boutons. Donc, ça, c'est sur le plan de la santé humaine. Maintenant, sur le plan environnemental, quand les paramètres ne sont pas respectés, comme vous l'avez dit vous-même, c'est en tout cas des produits qui peuvent être en suspension dans l'air, puisque s'ils sont pulvérisés, c'est en tout cas des, des particules qui sont dans l'air. Et une fois qu'ils sont dans l'air, non seulement toute vie peut les inhaler, ou bien une fois qu'ils reviennent sur Terre, le sol peut être pollué. Une fois que le sol est tous les organismes non visés vont être visés cette fois-ci. Les insectes que vous ne voulez pas tuer vont mourir. Par exemple, est-ce que euh, les animaux aquatiques tels que les poissons peuvent être concernés par euh, la pollution ou bien peuvent être exposés J'allais en venir puisque j'étais dans, cette logique-là. Alors, donc, euh, sur Terre, comme je l'ai dit, toute vie, tout organisme non visé peut être négativement impacté. Maintenant, les plans d'eau, notamment les mares, les rivières, les fleuves, les puits, les océans. Une fois qu'il y a ces particules à l'intérieur de ces plans d'eau-là, toute vie qui s'y trouve, toute vie aquatique peut être impactée une fois en tout cas que la dose létale ait été atteinte. Donc vous voyez, c'est dire que au cours de l'utilisation de ces produits-là, il faut un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, qu'il faut mettre en application. Et ces mesures ne peuvent être en application que quand vous les connaissez. Et pour les connaître, il faut être formé par des spécialistes. Vous voyez. Au pire des cas, vraiment, eh, ce, serait la catastrophe. Donc, ce qui fait que tous ceux qui manipulent les produits phytosanitaires, comme euh, mon collègue l'a dit, doivent porter des équipements de protection individuelle adéquats, appropriés. Ça, c'est un. Et pendant la manipulation, il faut respecter tous les paramètres sécuritaires pendant l'utilisation des produits. Ça, c'est deux. Et de trois, il faut utiliser la matière active indiquée, celle-là qui est homologuée, celle-là qui est acceptée sur le plan norme internationale. Dans le cas contraire, au lieu de faire des traitements pour protéger vos cultures, vous allez faire des empoisonnements des vies, qu'elles soient des vies humaines ou des vies animales. Abdou Ibrahim, en cas de mauvaise manipulation euh, de ces produits hautement dangereux, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de mauvaise manipulation, ça veut dire que la personne peut être euh, intoxiquée. Mais une fois que la personne est intoxiquée, il faudrait bien d'abord qu'il y ait une personne tierce à côté de cette personne intoxiquée pour essayer d'apporter les soins ou le premier secours appropriés. Vous voyez, dans le cadre de nos formations, nous tout ce qu'on peut, c'est de former nos agents, les techniciens, les brigadiers phytosanitaires, n'est-ce pas, sur les premiers secours en cas d'intoxication due à un pesticide. Il y a le premier secours qu'il faudra apporter. Si c'est par exemple l'œil qui est atteint, il faut savoir euh, tenir la personne dans une position adéquate, verser de l'eau sur l'œil qui est atteint, utiliser de l'eau non savonneuse, etc., etc. Si c'est la peau, il faut déshabiller la personne, la dégager de l'endroit où le pesticide l'a atteinte et essayer de lui apporter les premiers secours. Et la conduire dans un centre de santé le plus proche pour qu'un médecin ou un infirmier puisse relayer la prise en charge, avec justement le contenant ou l'étiquette du produit, n'est-ce pas, qui a, qui la base, qui est à la, cause de cette intoxication-là. Abdou Ibrahim, auriez-vous des exemples de cas de personnes touchées et comment s'est passée la prise en charge pour les soins, par exemple Bon, euh, des cas rencontrer, c'est un peu rare chez nous au niveau de la direction de la protection des végétaux. Parce que nous, quand on fait nos interventions, on fait en sorte que la personne qui utilise ces produits-là soit d'abord formée. Une fois qu'elle est formée, il faut qu'elle soit encadrée. Même les brigadiers phytosanitaires là que vous connaissez, ils sont très bien formés. Mais parfois, c'est une négligence. Mais les, les rares cas qu'on rencontre, c'est des cas, en tout cas, d'intoxication cutanée par mégarde, le produit peut verser par exemple sur votre peau si vous n'êtes pas très bien protégé. Alors là, rapidement, on vous conseille d'aller vous déshabiller et de vous laver la peau à l'eau savonneuse. Mais si c'est l'œil qui est atteint, il ne faut pas utiliser le savon, c'est de l'eau propre qu'il faut utiliser, verser sur l'œil qui, est contaminé, tout en ayant une position qui ne puisse pas contaminer le deuxième œil. Vous c'est des cas comme. Maintenant, si c'est une inhalation ou une ingestion d'un produit alimentaire qui est intoxiqué par un pesticide. Il y a ce qu'on appelle le charbon actif. Le charbon actif, c'est quoi C'est en fait de la poudre du charbon qu'on prépare nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est facile à préparer. Hein. C'est qu'il y a du charbon minéral, le charbon de bois. Vous trouvez par exemple du pain, le pain sec. Vous le mettez dans un dans une boîte de café, vous fermez, vous mettez dans le feu jusqu'à ce que ça soit cramé, ça devient du charbon. Mhm. Vous ouvrez, vous pilez, vous, avez du poudre, de la poudre plutôt du charbon. Mhm. Et vous pouvez garder ça dans votre boîte à pharmacie. Une fois que vous trouvez une personne qui a dû inhaler un produit intoxiqué, vous lui donnez une, une cuillère, n'est-ce pas, de cette poudre de charbon actif dans un demi-verre d'eau, vous le faites avaler. Dans quel but C'est qu'une fois que l'eau là qui contient, n'est-ce pas, le charbon actif est avalé, le charbon qui est dans votre ventre là, il va essayer d'absorber toutes les matières actives de pesticides, il va les emprisonner, il va les séquestrer, et maintenant, quand vous allez au sel, vous allez dégager ça. Ce qui fait que, en tout cas, un grand pourcentage de cette matière active-là déjà a été absorbé par le charbon que vous aurez pu euh, avaler et c'est parti dans, dans, sel les Donc ça, c'est un exemple palpable de remède à une intoxication par en tout cas, ingestion d'un produit. Abdu'l-Bahou Ibrahim, euh, comment les riverains d'un espace traité peuvent être exposés, par exemple, à ces produits phytosanitaires Très bien. Les riverains, je pense que vous faites allusion à, à des habitants, des habitations. Il y a ce que nous appelons les zones écologiquement sensibles aux pesticides. Les zones écologiquement sensibles aux pesticides, c'est des zones qui ne devraient pas recevoir des gouttelettes de pesticides en cas de traitement. C'est les habitations, c'est les points d'eau, c'est les ranchs, c'est les, zones de réserve, c'est les zones d'apiculture où on fait l'élevage des abeilles, parce que les abeilles sont des insectes qui sont économiquement utiles et pour l'homme, n'est-ce pas, d'une manière générale, et pour l'agriculteur, parce que les abeilles favorisent la pollinisation des cultures. Mhm. Donc ces zones écologiquement sensibles sont des zones qui ne devraient pas être impactées par les pesticides. Et comment faire Tous les agents de la protection des végétaux savent que quand vous faites un traitement et que vous, vous êtes à l'approche d'une zone sensible, si c'est une habitation, il y a ce qu'on appelle la zone tampon qu'il faudra observer pendant ces traitements-là. Cette zone tampon, ça veut dire que c'est une zone qui fait la limite entre votre zone de traitement et l'habitation. Donc il faut laisser une marge qui ne devrait pas recevoir des dérives de gouttelettes de pesticides. Et cette zone, elle est connue en fonction du type de traitement que vous faites. Si c'est un traitement fait par l'homme, le brigadier, si c'est un traitement fait par un camion, ou bien si c'est un traitement fait par un avion. Si c'est un avion qui traite, c'est-à-dire entre l'habitation et l'avion, il faut observer un kilomètre et demi de zone tampon. Si c'est le traitement camion, il faut observer 500 mètres donc un avion doit observer un kilomètre et demi entre lui et l'habitation. Donc c'est vraiment sécurisé. Donc un kilomètre et demi, c'est la zone tampon. Si c'est un appareil autoporté, un appareil que vous portez c'est un véhicule pour traiter, il faut observer 500 mètres entre votre première ou dernière passe et l'habitation. Vous voyez Maintenant, si c'est un brigadier qui a son appareil au dos ou à main, il doit respecter 200 mètres, au moins 200 mètres ne doit pas être traité pour que ces habitations soient sécurisées. Nous avons connu euh, des habitations qui sont euh, surtout au bord du fleuve Niger, telles que Combo, qui est à côté des jardins. Est-ce que ces populations-là ne sont pas exposées en cas d'utilisation de, ces produits phytosanitaires S'il se trouve que vous êtes obligé de traiter et que la pression parasitaire est importante, qu'il y a des habitations à côté, si c'est obligé de traiter, vous utilisez un biopesticide. Les biopesticides, c'est des pesticides, c'est des extraits en tout cas des, ou des ennemis naturels ou des plantes naturelles qu'on peut utiliser et qui sont sans effet néfaste sur la santé humaine et sur l'environnement. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, il y a eu des traitements des, gîtes, des larves, n'est-ce pas, des moustiques sur les aménagements hydro-agricoles avec, avec notre avion de la PV qui malheureusement d'ailleurs avait eu des pépins, avait craché. C'était un produit biologique qu'on utilisait contre les les, stades larvaires des moustiques. L'avion qui s'est abîmé à Gouda. Voilà, voilà. Et ce produit qui est utilisé, c'est un biopesticide bio, un qui est utilisé pour traiter ces larves-là et qui n'a aucun effet sur la santé humaine et sur l'environnement. Donc s'il s'avère que vous êtes obligé de traiter, vous faites recours à ces genres de produits qui n'ont pas en tout cas, les conséquences, sur la santé des populations voilà, humaines. faut Euh, Issoufou euh, dit, Mega, les produits phytosanitaires sont-ils accessibles aux paysans qui sont dans leur écrasante majorité euh, illettrés Oui, parce que les produits sont dans des, c'est en divers conditionnements. Nous avons des conditionnements de 100 ml à 5 litres, de 100 ml à, 50, à 500 millilitres, 1 litre et jusqu'à 5 litres. Oh nous, la plupart de nos produits sont, le plus grand connaissement, c'est des litres. Et donc, vraiment, c'est des produits qui sont accessibles aux producteurs. Donc, si un particulier euh, vient, le demande un produit, est-ce que vous le donnez ou bien vous l'accompagnez dans le cadre de l'utilisation de ces produits un, particulier, par exemple Un particulier, pour bon, quand il vient chercher un produit, il nous dit c'est un produit pour traiter les moustiques ou c'est un produit pour traiter le jardin. Donc, lui, nous, nous le conseillons le produit le mieux indiqué. Si c'est dans les jardins ou bien dans les habitations. Et dans le jardin aussi, nous lui demandons quels sont le stade de culture. Parce qu'il y a des produits dont le délai avant les côtes est très long et euh, court. Ça, dépend du stade du produit. Quand le produit n'a pas atteint le stade de, de floraison, ou bien le, stade de maturité. Donc il y a des produits appropriés pour tous les différents euh, stades de culture. Quoi. comment faire pour éviter ou minimiser les risques de mauvaise manipulation de ces produits, euh, dont certains sont hautement toxiques, euh, dans vos agences bon, D'abord, quand, vous eh, quand vous êtes dans une boutique d'un il faut la plupart du temps être dehors, pas de la boutique. Ça, ça va peut-être minimiser le risque de toxique. Et s'il y a des clients en permanence Oui, quand les clients viennent, vous rentrer, vous leur, vous vendez le produit et vous ressortez. Ça, ça peut minimiser le risque d'intoxication. Et puis, les, les, produits, vous pouvez les garder dans des armoires à vitres où vraiment l'inhalation est. On peut les inhaler, mais vraiment à faible, quantité. À faible quantité. Est-ce que euh, vous arrive euh, de voir euh, certains de vos agents victimes de ces produits phytosanitaires Vraiment, jusqu'à présent, parce que moi j'ai 25 ans de carrière dans cette affaire, jusqu'à là, je n'ai pas pu rencontrer un agent qui dit qu'il est, victime d'intoxication des produits. Et, surtout que chaque année, nous faisons des visites médicales au niveau des services sanitaires pour voir si vraiment le produit n'est pas en train de tuer à petit feu l'agent ou ceci ou cela. Donc, euh, comment se fait le, le, stockage ou la conservation de ces produits au niveau de vos agences euh, Bon, nous, au niveau de, nous au niveau de notre fournisseur qui dispose d'un magasin, et nous, nous prenons vraiment à la, à la, demande, quoi. Parce que nous savons à quel moment les produits sont demandés, à quel moment ils ne sont pas demandés. Donc, c'est nécessaire sert d'amener, de stocker un produit à un moment où il n'est pas demandé. Donc au moment où les produits sont demandés, nous savons en fait qu'est-ce que nous pouvons vendre dans la semaine. Donc euh, les produits sont que au niveau de notre fournisseur qui dispose d'un grand magasin, un magasin qui répond aux Qu'est-ce que vous faites avec les produits périmés par exemple nous, chez nous, c'est rare de voir les produits périmés chez nous, parce que nous, nous sommes des commerçants. Nous prenons toujours ce que nous pouvons vendre dans le temps. Abdou Ibrahim, euh, comment se fait un bon euh, stockage et une bonne conservation de ces produits une bonne conservation d'un produit, peut-être un bon stockage. Généralement, dans les grands magasins, comme je l'ai dit d'abord, il faut avoir un magasin normé de stockage de pesticides. Il n'est pas conçu comme n'importe quel magasin. Il faut avoir un plancher très spécial, un toit très spécial, des, aérations euh, très spéciales, des portes d'entrée et le bureau du magasinier ne, devrait pas être dans le magasin, il doit être à l'écart. Ça, c'est Maintenant, à l'intérieur de ce magasin-là, il faut stocker les, produits en fonction du type d'emballage. Si c'est des tonneaux, si c'est des cartons, si c'est des litres, il faut les ranger de manière à ce qu'ils soient disposés, n'est-ce pas, catégorie par catégorie. Ça, c'est un. De deux, dans la disposition du magasin, il faut trouver des passages vraiment eh, bien euh, délimités, de sorte que même s'il y a un pépin, même s'il y a un danger, qu'on puisse rapidement intervenir. Il faut qu'il y ait aussi une certaine aération. Et le magasinier doit de tout le temps avoir au moins une paire de gants et un masque chaque fois avant de rentrer dans le magasin. Et quand vous ouvrez le magasin de pesticides, il ne faut pas rapidement rentrer, non. Vous ouvrez le magasin, vous attendez cinq minutes pour que tous les gaz, parce qu'il y a du gaz toxique qui est là-dedans, donc vous ouvrez, vous attendez 5 minutes pour que les gaz puissent sortir et vous rentrez avec votre masque pour faire si c'est un, inventaire que vous voulez faire ou bien si c'est des visites que vous avez. Mais pour entrer dans un magasin de produits, il faut au moins avoir le masque. Ne serait-ce que le, masque, anti-poussière parce que si vous rentrez juste c'est pour quelques minutes. Maintenant s'il faut manipuler, il faut avoir surtout des gants, même si c'est pour toucher les tonneaux ou les cartons. Donc par rapport au stockage, euh, normalement c'est comme ça que ça devrait être et les dispositions qu'il faut prendre pour rentrer dans le magasin aussi, c'est de cette manière que ça devrait se passer. Abdoubaou Ibrahim, à quel euh, stade de l'évolution des cultures faut-il utiliser euh, les produits phytosanitaires Oh, c'est à tous les stades. Depuis le semis. Pendant le semi, il y a ce qu'on appelle le fongicide, que vous mélangez avec votre semence pour protéger votre semence des insectes du sol et des maladies du sol ou même de la graine. Ça, c'est ce qu'on appelle les fongicides, insecticides qui sont utilisés contre les, insectes telluriques ou bien les maladies telluriques qui sont dans le sol. Ça, c'est déjà au démarrage. Maintenant, une fois que la plante, n'est-ce pas, pousse, de la levée jusqu'à la maturation, vous devrez traiter tant qu'il y a un ravageur sur la plante, n'est-ce pas, qui atteint le seuil d'intervention. Parce qu'il y a aussi intervention intervention. Ce n'est pas parce que vous avez vu un criquet sur un plan que vous allez traiter. Non, il y a un seuil d'intervention pour lequel il faut intervenir. S'il n'y a pas d'invasion si, Pas invasion. Il y a un seuil dommageable à la culture. Si c'est un insecte, deux insectes sur la plante, ce n'est pas nécessaire d'intervenir parce qu'il n'aura aucun impact économique sur la culture. Mais si sur un épidémie, vous, vous voyez par exemple 10 insectes floricoles qui sont là, 10 000 par exemple, ou 10 distridercus. Les milabres arbres, c'est les insectes là qui, quand vous touchez, vous, vous brûlent la peau. Mmh. C'est ça, les milabres c'est leur famille. Quand il y a 10 déjà, vous savez qu'il faut nécessairement intervenir, sinon vous allez récolter un épier vide, sans graines. Si c'est des criquets, si c'est des larves par exemple, il faut compter, dès que vous avez 5 larves, 6 larves au mètre carré, il faut compter. Si c'est des adultes, déjà, pour chaque ravageur, il y a un seuil d'intervention qui est connu, qui quand on n'intervient pas, il peut être dommageable à la culture. Donc, euh, au, stade de, maturité, par exemple, au stade de la récolte, est-ce qu'il faut utiliser Au stade de la récolte, si vous avez des attaques et, et que le, votre culture atteint le stade de récolte, il faut faire une récolte précoce. Parce que si vous traitez la, la, la culture et que vous voulez la, consommer, ça va être toxique. Mais si vous traitez, attendez au moins deux semaines avant de récolter. En ce moment, la matière active aurait le temps de se dégrader dans la plante ou dans l'environnement à travers tous les, métabolismes de dégradation à l'intérieur de la plante. Donc si vous voulez récolter, n'est-ce pas, il ne faut pas traiter. Ou bien si vous récoltez, ne consommez pas. Attendez deux semaines après traitement avant de... Mais les jardiniers qui vendent euh, les le moringa là, après, est-ce qu'ils respectent euh, les conditions de récolte ou bien de la cueillette de, de, ces moringas là euh, Normalement, ils sont encadrés par des brigadiers qui savent ça qui connaissent tout ça là, même jusqu'aux femmes. Tout récemment, nous, on a formé dans la région de Tilaberi 200 femmes productrices de moringa dans le cadre de la protection phytosanitaire du moringa. Parce que dans la pratique, on a remarqué que, en tout cas, c'est une plante qui est, qui beaucoup traitée. Les gens utilisent beaucoup de produits phytosanitaires. Donc, il faut former, sensibiliser les gens pour que si, si par exemple, il s'avère que vous allez récolter votre moringa pour vendre, il ne faut pas traiter. Ou bien si vous traitez, attendez une à deux semaines avant de récolter pour, pour, vendre, vendre votre produit. Donc, les brigadiers le savent. On les sensibilise. Comme quoi, si vous traitez vraiment, vous êtes responsable, n'est-ce pas, de la santé de plusieurs personnes. Toute personne là qui vient payer ce produit-là peut être atteinte d'une intoxication due au produit que vous avez utilisé. Donc, avant de l'utiliser, il faut savoir si vous allez récolter pour vendre. Si vous allez récolter pour vendre, ne traitez pas ou bien si vous traitez, attendez deux semaines avant de récolter pour vendre. En ce moment, vous savez que en tout cas, il y a une certaine euh, sécurité euh, qui est là et que les gens qui vont aller payer cette production ne seront pas négativement impactés du fait que le pesticide a été utilisé sur la plante. Donc tous ces brigadiers-là, normalement, ils le savent. Mais vous savez, l'homme est ce qu'il est. Abdouba Ibrahim, qu'en est-il euh, du cas euh, des particuliers qui utilisent ces produits-là au niveau de leur habitation pour lutter contre les, moustiques, par exemple ah, ça c'est le plus grand fléau. Ce que nous sommes en train de voir quand on est assis dans nos fadas nous voyons des gens qui se promènent avec du pied à pied à la pour vendre. D'abord, c'est un produit qui n'est pas, n'est-ce pas, conseillé pour utiliser dans les concessions, dans les habitations. C'est des produits très dangereux. À la limite, vous pouvez les utiliser dans les fosses contre les cafards, les autres Mais dans, le cadre de la lutte contre les moustiques, les flitox là que vous voyez qu'on vend dans les boutiques, c'est les bombes les mieux indiquées pour lutter contre les moustiques. Maintenant, si c'est dans la ville, au niveau des caniveaux, au niveau des, des, des ça, en tout cas, les services de l'hygiène et de l'assainissement, ils ont des produits n'est-ce pas, qui sont appropriés pour ça, pour traiter les Mais dans les concessions, il ne faut pas aller au-delà. Juste dans les chambres Juste dans les chambres, les gens les utilisent. C'est très dangereux. Parfois, c'est longtemps après que vous allez vous rendre compte que vous êtes malade. On va vous amener n'importe où, jusqu'en France, jusqu'en Tunisie, on ne va rien détecter. Alors que c'est le pesticide qui est là en train de vous détruire à petit feu. Parce que c'est ce qu'on appelle l'intoxication chronique. Chaque semaine, vous l'utilisez, chaque semaine, vous l'utilisez. Et vous, vous inhalez ça, vous respirez ça à, longueur de nuit ou de journée. Rapidement, Issoufou cas, euh, si vous avez quelque chose à ajouter. Euh, bon, en tout cas, le grand frère, il a, tout dit par rapport à l'utilisation des produits. Il a tout dit. et, maintenant, euh, j'ai vais ajouter quelque chose au niveau du Moringa. Et donc maintenant, nous, en tant que distributeurs, nous avons des nouveaux produits dont le délai avant le compte ne dépasse pas trois jours. Donc c'est ce que nous nous conseillons aux, producteurs de Moringa. Et donc c'est pourquoi je quand tu viens de la boutique, quand tu dis je te demande à quel stade est-on. Il y a un stade approprié pour, des, problèmes ce que moi je connais. Mais sinon, vraiment, c'était un peu comme ça. Quoi. Nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Abdou Ibrahim, directeur des interventions phytosanitaires et de la formation à la direction de la protection des végétaux, et Issoufou Tchoukia Dimega, distributeur agréé, responsable de l'entreprise de Fleuron spécialisée dans la commercialisation des produits phytosanitaires. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.